D'abord, je rends grâce à Dieu, je dis Alhamdulillah. Nous avons joué contre l'équipe du Bénin, c'était un match un peu difficile par rapport aux autres matchs, mais c'est normal parce que c'est des matchs à élimination directe. Donc nous, on ne s'attendrait pas à jouer un match facile comme on dit, on s'est préparé pour venir jouer, le tournoi et essayer d'aller le plus loin possible, comme on l'avait dit. C'était un match piège, un match difficile, contre une équipe qu'on avait méconnue. Mais Alhamdulillah, Dieu merci, euh, ça a été une première, première période assez difficile quand même où il n'y avait pas de domination, mais on n'a pas joué sur notre véritable valeur. Il y a eu beaucoup de déchets sur le plan du jeu, où on a perdu mal le ballon. Mais après, en deuxième mi-temps, quand nous avons apporté les correctifs, on a marqué très tôt le but libérateur. Bon, peut-être après le but, le Bénin n'est pas sorti de son goal. Ils sont restés groupés derrière. Ils ont joué sur des attaques rapides, sur des tensions rapides. Mais on a tenu bon. Il y a de la place avec, euh, comment dirais-je, euh, Samba Diallo d'aggraver le score deux ou trois fois. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Mais c'est bien. L'essentiel, ce n'est pas de gagner le score trois ou quatre, c'est de se passer. On l'a fait malgré la douleur, malgré les difficultés. Ça veut dire que les gosses savent aussi gérer les matchs, même dans la douleur aussi. Gérer les matchs, on l'a fait, on est passé, c'est important. Maintenant, comme on dit, les matchs se suivent mais ne se ressemblent jamais. Quoi. Il faut se concentrer et préparer dès à présent le prochain match qui s'annonce encore beaucoup plus difficile parce que nous sommes presque en demi. Et quand il parle d'une demi-finale, donc c'est l'avant-finale. Donc tous les matchs vont être âprement disputés, c'est ça. Merci. a parce que euh, match match poule ak match euh, élimination directe fay wouté quoi ñun ñu won jouer match bu yomb quoi malgré adversaire bi terewul bi ñu boy booy def nañu match bu bu baax parce que début bi rek mo difficile parce que vraiment adversaire bi ñëw na jéewul am bloc bu compact aussi mais suñu booy aussi on a senti que nu ñu joxé won sur le plan physique de l'intensité bi bi joxewuñu ko par rapport au match passé mais j'ai compris avec la répétition des matchs yëpp joué na ci mais terewul boy yi à la mi-temps on a apporté des correctif a bi correctifs aussi deuxième mi-temps on a marqué dañu teel a le double, tax na aussi boo yi nekkaat matchs. match bi am le deuxième troisième quatrième bi malheureusement le ko mais ça le football il ne faut pas trop les en vouloir parce que les bon def gagné il faut tirer les enseignements mais il ne faut pas ñuy xaar chaque fois de gagner 3 4 0 parce que le football aussi adversaire il bu ñu les gens jàngale ñëw la xaar aussi quoi mais en tout cas même à l'usure même dans la difficulté donc ça veut dire que mentalement ils sont forts quoi l'essentiel nous sommes humilité rek nous a concentré préparer le match yi di ndax demi finale mom faut fa yexé moy presque dugg nga ci cappaandaw li moy presque ci fête bi à protège donc il du yomb ça va être beaucoup plus difficile encore Nous ñom militaires, nous nous humilité rek préparer concentré wu préparer match yi di ñëw nous def suñu kéntu lay def li ñu pour atteindre l'objectif moy la finale inshallah, bu nexé fois euh, l'encadrement technique et, les joueurs pendant des mois, des mois euh, pour arriver à ce résultat on ne peut plus imaginer une Coupe, du Monde euh, en football sans le Sénégal. Voilà, je pense que euh, les jeunes euh, viennent de sur les... avec autant de victoires que de matchs. marquer 9 buts sans en encaisser le moindre. avoir trois fois le meilleur homme du match dans la compétition, je pense que c'est mérité qu'il euh, accède à ce niveau de la compétition, qu'ils se qualifie euh, pour la Coupe du Monde, euh, qui était un objectif intermédiaire qui nous avait été fixé, en attendant maintenant de décrocher le trophée de champion d'Afrique. Je pense qu'ils vont s'inspirer de l'exemple de leurs aînés qui ont fait le chemin inverse. Le chemin inverse, cela veut dire que leurs aînés, ils étaient d'abord champions d'Afrique, après, après pour se qualifier à la Coupe du Monde. Ici, c'est le chemin inverse. Les jeunes sont déjà en Coupe du Monde et se battent pour aller décrocher la, la Coupe d'Afrique. Je pense qu'ils pourront s'inspirer de, cet exemple-là que leur ont laissé leurs aînés pour continuer à se battre parce que ce n'est pas fini. Euh, la qualification à la Coupe du Monde, c'est fini, c'est derrière nous. Euh, le beau parcours euh, de la phase de groupe, c'est fini, c'est derrière nous. Ce qui est devant nous maintenant, et qui mérite que l'on se concentre davantage et qu'on soit davantage mobilisé. C'est les demi-finales qu'on doit jouer dans, deux jours et la finale euh, pour enfin décrocher euh, le trophée euh, qui est le deuxième objectif qu'on nous a fixé pour véritablement réussir le, plein de, de, ce qui nous est assigné. Je pense que c'est un sentiment de profonde satisfaction que j'ai euh, un grand plaisir que j'ai, euh, une très grande fierté que j'ai euh, d'être à la tête de cette délégation de, de jeunes, d'encadreurs, très, très, très engagés, très sérieux dans le travail, que je vois tous les jours fournir le maximum d'eux-mêmes en termes d'efforts, de sacrifices et de privations. Je pense que ça a été un très grand plaisir c'est pour moi euh, le moment de, les féliciter euh, véritablement au nom de la Fédération sénégalaise de football, au nom du président Augustin Senghor, pour euh, toute cette satisfaction-là qu'il nous procure de jour en jour, de marche en marche, et qui nous place aujourd'hui au niveau où nous sommes. Voilà. qualification, qualifications, je pense que l'homme solo la ci Sénégal euh, bu xale dem coupe coupe du monde euh, loolu reuy la je pense que euh, légui xaj na ci aduna bi kenn mënatul xalat coupe du monde bu Sénégal bokul yagul dara rek seen mag ñi jaaroon nañ ci yoon woowu nek champion d'Afrique ba paré ñu tek ci weer ñu qualifier dem coupe du monde représenter Sénégal représenter Afrique feulé ci Qatar ñom tay sen ñom moomee ñom nak ñom euh, benen yoon bi lañ jël parce que dañ nekk dañ qualifié coupe du monde ba pare war a nekk uti champion d'Afrique léegi maintenant je pense que yi ñaan rek mooy euh, exemple boobu seen mag yi won leen ñu jaar ci ba boolee à la fois coupe du monde bi ak champion d'Afrique loolu ñu di ñaanal te euh, mën nañ ko parce que boo xoolee seen taxawaay ci tournoi bi fi ñëwee ba léegi ñeenti match lañ football am ñeenti victoire dugal nañ juróom-ñeenti but jëluñ benn bi ci ñetti yoon ci match yi am nañ meilleur joueur du match classement type bi bu phase de groupe bi am nañ ci ñeent joueur wax dëgg yàlla ñu mérité nañ qualifier coupe du monde mérité nañ jël coupe bi loolu nag euh, du du du ñu lu ñu for lu ñu liggéey la euh, yàgg ko liggéey ci ay weer ay at ak seen encadreur yi ak seen ñoom seen bopp euh, son nañ Euh, nous lu nek euh, liggéey nañ di liggéey nañ nous daw nañ du daw nañ bëccëg man mi nek ak ñom fait, nous gis na ni ñi liggéey ñu am ci li ñu def ñu am aussi li ñuy représenter lañ je pense que loolu qui ñu ci terrain bi moom laa gis ci tax euh, mérite chance mérite je pense que loolu maa leen ci ñaanal muy aussi li nga xamné ni mo dess ci compétition bi ñu ngi waajal demi finale yi ñu gagné demi finale yi dem finalu gagné coupe bi yóbbu ko Sénégal je pense que Sénégalais yi loolu lañuy xaar coupe du monde bi jall na gàcce ngaalama ñom waaye ñu ngi leen di dolé ñaax ñu dolé góorgóoru gën a farlu ci liggéey bi li dess barétul ñu gagné coupe bi yóbbu ko Sénégal muy ndamu Sénégal yépp je pense que loolu la leen di ñaanal di am mbégte di sante bu baaxa baax ci and bi ma and ak ñoom.